Euh, je suis venu là ce matin euh, sur l'appel du, président du conseil départemental, M. Souleymane Doui, qui a, appelé tous les maires du département pour que ces derniers viennent ici pour prendre en fait, une, dotation, de, 40 sacs d'oignons de, 25 kilos et de, 30 euh, sacs de pommes de terre. Donc en tout, en, tout euh, équivalence de 2 tonnes. Cet, appui-là euh, est, venu à son, à son heure. Donc ça va nous permettre de, souffler un peu, de, distribuer ça aux populations et que pour que, tout le monde puisse rester chez lui. Presque 2 tonnes, ça va nous permettre de, de toucher tous les ménages. on n'aura pas de distinction par rapport aux, ménages. Parce qu'en fait, c'est une période pour même, même le riche peut-être confronté à, des situations de, sortie, parce qu'avec le confinement, avec le couvre-feu là, tu peux avoir un compte bancaire et ne pas avoir accès à ce compte bancaire là. Donc, vous savez, donc on ne fera pas de distinction. On va aller vers tous les ménages et donner à chaque ménage, ne serait-ce que 2 kilos pommes de terre, 3 kg oignons. Ça dépend du dispatching. Nous avons une dotation semaine passée dotation de javel euh, lave-mains gel antiseptique euh, avec. Euh, tey aussi indil nañu soble ak pomme de terre bien avant avant feebar bi di dugg nii sax matagul sax euh, deux mois defoon na lu mel nii comme tey bu ko répété waatee aussi dañuy xam ne rek euh, mi ngi nekk ci côté population bi rek ñu koy remercier. xam nga ñëw na ci waxtoom ñëw na fi ko soxlaa parce que ndimbal nag ca. ka soxla ndimbal instant bi ak confinement bi ak liggéey yi ni ñu taxawee Nous, ku ne euh, famille am parce que les yi ont ni mu war a kon tay mom bu fekkente né def na li dañ koy wax la un grand geste un geste honorable en dehors de ce qu'il avait fait au niveau du comité départemental en octroyant une somme de 10 millions euh, au comité, en dehors de ce qu'il avait fait récemment en termes d'art alimentaire. Voilà encore un geste qui va dans la pensée logique du chef d'État qui appelle tous les acteurs sociopolitiques à aider, à soutenir, à se battre contre le virus. C'est pourquoi il faut se féliciter de cette vision très large euh, qu'il a, parce qu'il pouvait se contenter de dire j'ai contribué, jour et nuit je suis derrière le préfet, mais il a eu à amener 40 tonnes d'oignons, 40 tonnes de pommes de terre, en plus de nous avoir les consoles, C'est un geste honorable à celui. C'est ça qu'il faut faire, c'est l'appel à cette solidarité. Cet appel-là doit être concrétisé, doit être élargi par les acteurs politiques qui, ma foi, sont des citoyens de Rufus. Et ce qui est euh, admirable à faire, en dehors de tout ce qu'il avait fait, il revient en charge pour la communauté de l'Ouest, pour la communauté de Rufus il a toujours été à côté aussi des populations. Mais durant ce mois du 2 mars à aujourd'hui, il a d'abord donné aux populations les, les, de l'eau de javel, du savon dans tous les quartiers des 25 environnants. Une semaine après, il a convoyé à ces populations des denrées alimentaires en termes de pommes de terre et d'oignons que ces gens ont parfaitement distribué dans les quartiers. En analysant l'apport des uns et des autres, il est revenu avec charge avec plus de 25 millions qu'il a acheté en d'art pour soutenir les ménages. Parce que l'État va venir, mais on ne peut pas se satisfaire. Donc il vient en complément. Je pense qu'il faut saluer ce geste, l'encourager en direction des peuples. Parce que l'approche communautaire, le soutien aux communautés, c'est de les assister dans ces moments difficiles.